le forum du studio Calam. Le forum du studio Calam. Le forum du studio Calam. Le forum du studio Calam. Le forum du studio Calam. Le forum du studio Calam. Le forum du studio Calam. Le forum du studio Calam. Le forum du studio Calam. heures euh, de 16 minutes, euh, chers auditeurs, bonsoir, euh, ravi de vous retrouver pour la suite des programmes de Studio Kalangu. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous nous écoutez à travers notre réseau dynamique de 34 radios partenaires sur l'ensemble du territoire national pour suivre le Forum de la presse, un rendez-vous hebdomadaire. Le Forum de la presse est un espace d'échange avec nos confrères journalistes de la presse audiovisuelle, écrite ou en ligne, pour parler des principales informations qui ont marqué l'actualité de la semaine et ce, dans le respect mutuel. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord aborder la question des inondations répétitives au Niger avec les dégâts causés dans la région d'Agadez, notamment dans les communes de Dabaga et Tabelote. Ensuite, euh, nous parlerons dans ce forum de l'épidémie de choléra qui sévit dans la région de Maradi depuis le 4 juillet, causant le décès de 26 personnes parmi les 1500 cas enregistrés. Nous analyserons aussi ce qui se passe chez nos voisins maliens avec les résultats provisoires proclamés hier qui consacrent la réélection d'Ibrahim Boubacar Kita pour un dernier mandat. Nous reviendrons au Niger pour parler de la fête de Tabaski prévue mercredi prochain avec un focus sur l'impact de l'homme sur l'environnement de ce pays désertique et enfin du sport dans ce forum avec euh, la participation du MENA qui était à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, pour préparer le tournoi de la zone ouest de l'Union des fédérations ouest-africaines de football qui se tiendra à Niamey le 2 septembre prochain. Pour analyser ces sujets, je suis avec euh, mon confrère journaliste euh, Gare Amadou, journaliste euh, du quotidien La Nation. Bonsoir. bonsoir. Nous attendons incessamment El Hajim Amadou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, et Rufai Dandoua, qui est journaliste indépendant. Mesdames, bonsoir. Je le disais tout à l'heure, depuis le début de la saison pluvieuse cette année, les fortes pluies enregistrées ont provoqué des inondations dans plusieurs régions du pays. Par exemple, d'importants dégâts ont été enregistrés dans la ville d'Agadez avec le débordement du à lundi, causant d'importants dégâts dont des morts. Les communes de Dabaga et Tabelote sont les plus touchées. Garé, vous êtes euh, journaliste euh, du quotidien La Nation. Nous savons que le mauvais état de cette route ne date pas d'aujourd'hui, mais aussi le Coritellois entre en crue chaque année. Quelle analyse faites-vous de cette situation oui, Je pense que la question des inondations est une question assez, assez cruciale aujourd'hui au Niger, parce que d'abord, vous avez euh, c'est vrai, des infrastructures routières ont été construites, d'autres sont en très piteux état ce qui entraîne euh, euh, le drame qui, est intervenu, je crois, il y a quelques jours, avec euh, une ambulance qui a été emportée par les eaux. c'est effroyable, mais ça appelle aussi à une, prise de conscience que les routes nationales doivent être en en tout cas entièrement réhabilitées pour permettre d'éviter les accidents. Deuxième chose, c'est créer des conditions pour que les eaux, quand il y a des eaux de pluie, que l'eau ne stagne pas, qu'elle puisse s'écouler. Donc il faut faire des, je sais pas, des canalisations. C'est vrai, en brousse, à défaut de faire des canalisations comme dans les villes, en brousse, on peut faire des, en tout cas des, on peut creuser des, canaux qui peuvent permettre, des canaux naturels bien sûr, qui peuvent permettre de d'écouler l'eau, que l'eau ne stagne pas. Mais le problème est encore plus crucial. Dans la ville de Niamey, c'est incroyable. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, une pluie est tombée. Mais je vous assure qu'il y a certaines ruelles vous avez l'impression que vous êtes sur le fleuve Niger. Tellement les rues sont inondées. C'est incroyable. Comment peut-on construire une ville sans respecter les normes en matière d'urbanisation Comment peut-on construire une ville sans et, des, des, caniveaux. Comment peut-on construire de belles routes comme la route euh, qui va de Police Secours jusqu'au vers ce là mais sans caniveaux, comment peut-on faire un truc comme ça Pour l'instant, on retourne à Agadez. Oui, on retourne à euh, Agadez, oui, c'est vrai. en fait, c'est pourquoi j'ai un je fais une petite digression, mhm. parce que c'est un problème général. Pour Agadez, vous savez, Agadez, euh, c'est quand même une région qui n'est pas habituée à avoir beaucoup de pluie. Alors, dès qu'il y a un peu de pluie, les maisons ont tendance à s'effondrer. Mais pire, je vous dis, les routes de la région d'Agadez, c'est un scandale. La route Tawa-Arlit, mhm. la route Agadez-Arlit, les autres routes, les autres routes, c'est-à-dire que franchement, eh, eh, eh, c'est vrai que des efforts sont en train de d'être faits, mais je pense que les autorités doivent quand même euh, euh, encore beaucoup plus se mobiliser pour faire en sorte que Agadez puisse retrouver son visage d'antan. Parce qu'avant, c'était de belles routes. Mais selon vous, cette route-là, elle a été mal construite, elle est vieillissante ou bien que, selon vous, qu'est-ce que c'est Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été construite. Mhm. Vous comprenez euh, Donc, je ne vais pas m'avancer pour dire qu'elle est mal construite. Mais si c'est une route qui a été récemment construite, je vais dire 10 ans, 20 ans, on peut dire que oui, si elle s'est dégradée aussi facilement, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que, par exemple, peut-être que les gros camions, les gros porteurs empruntent ces camions-là et que comme il n'y a pas une sorte de règlement, il n'y avait pas la réglementation à ce moment-là mhm. concernant les charges que les, camions doivent, doivent voilà, pour, pour, euh, suivre une route. Peut-être qu'il y a eu des abus, mais peut-être aussi que ça a été mal construit. Mhm. Et donc, si ça a été mal construit, ça veut dire qu'il faut savoir quelle est qu'est-ce qui a été fait. Parce qu'en principe, même quand l'État te donne un contrat pour construire une route, n'est-ce pas mhm. Quand tu livres, l'État doit faire une sorte d'expertise pour voir si ce que tu as fait là correspond aux normes. Donc, si ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a eu un lexisme quelque part. D'accord. Merci Garé. Il y a Dandoua qui vient de nous rejoindre. Nous parlions à l'instant de la digue qui a cédé euh, suite euh, à la crue du Cori Telois. Donc, euh, vous venez d'entendre l'intervention de Garé par rapport à cela. Rufai, donc, selon vous, quel est l'impact de cette situation sur la vie des populations ou encore l'économie de la région, le fait que cette route soit interrompue? En fait, je vais abonder dans le même sens que Garé, quand il disait après la réception, il faut eh, faire une expertise pour voir si, c'est bon ou, pas. Je pense que c'est bien avant qu'il faut le faire. Lorsque vous donnez, c'est comme si tu donnes, eh, j'ai donné un exemple récemment à quelqu'un, c'est comme si tu donnes eh, un contrat à un, architecte pour te faire une, maison ou un moisson. Euh, pour te faire. Ce n'est pas à la fin que tu vas venir et voir si c'est bien fait ou pas. Si ce n'est pas bien fait, c'est fini. Tu vas d'abord commencer dès le début. Or, eh, qu'est-ce qu'on constate par exemple ici au, Niger ou peut-être même dans les pays africains Lorsqu'on donne un contrat, d'abord le contrat n'est pas bien donné. On le donne peut-être euh, parce que tu m'as donné quelque chose ou bien parce qu'il y a la commission, parce que mhm. ceci, parce que cela. Maintenant, il n'y a plus de suivi. Ou même si et on a donné le contrat en bonne et due forme, maintenant c'est le suivi qui manque soit par paresse, soit parce que quelque part l'entrepreneur a corrompu eh, quelqu'un quelque part, et maintenant on laisse eh, finir. Quand ça finit, maintenant on réceptionne eh, le travail, et même si on fait une expertise, on ne peut plus revenir en arrière, sinon encore on va dépenser de, l'argent en, en, surplus. Autre chose, maintenant si, la, si par exemple la route ou la digue a une espérance de vie de 30 ans, et qu'elle fait 10 euh, ans ou 15 ans, mhm. ça veut dire quoi Ça veut dire que non seulement on aura perdu en temps et en argent aussi, parce qu'il faut, refaire la, il faut, la refaire. Maintenant, l'autre aspect, c'est quoi C'est que lorsqu'elle cède, D'abord, il peut y avoir euh, des, des, graves dégâts. Ça peut être des, des dégâts en perte, euh, perte en vie humaine. Comme l'ambulance qui a été Voilà, comme l'ambulance qui a été emportée avec un malade, son, ses accompagnateurs. vous, vous voyez, et la perte en vie humaine est plus grave que même ce qu'on perd en, argent, parce que l'argent, on peut le récupérer, mais quelqu'un, quand il décède, c'est fini, on ne, peut plus faire marche euh, en arrière. Donc, je pense que ce sont des choses qu'il faut voir lorsque on donne un travail. C'est vrai, Gary a dit qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été créée, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais je pense que lorsque nos autorités donnent de l'argent pour qu'on construise euh, des immeubles, c'est comme le cas en Italie, vous avez, c'est juste une parenthèse, le, président, le premier ministre a dit qu'on on va revenir pour euh, voir tous les immeubles qui ont été euh, construits pour voir si, voilà, sont en, bon état ou si ça peut encore créer des, problèmes de l'avenir. On revient à l'impact de cette situation sur la vie des populations il la, a vie la, vie des population, il y a l'argent qui, qui, qui va être dépensé et mieux encore, lorsque vous passez, quand, ça, quand, ça, quand ça moi récemment j'étais à l'intérieur, quand tu viens, même sur le gourdon de la RN1, mhm. il y a des moments où quand tu viens, quand il y a une, grande pluie, nous on a, on, a vécu le, le, cas, la route est pleine d'eau. Donc si vous n'avez pas une grande voiture, l'eau peut emporter la voiture. C'est que l'eau peut tout emporter, même les grosses voitures. Donc si vous avez des petites voitures, facilement ça l'emporte. Et il y a des décès, il y a, le temps que vous perdez même avant de passer. Bref, il y a beaucoup de choses, je pense qu'il faut... Donc l'économie aussi en prend un coup vu que les voitures ne passent euh, pas. Pas, que ça, puisque ça, ça, ça c'est même peu, parce que ça, ça, ça peut être, ça, va vous perdre quelques temps. Mais imaginez quand ça, quand ça cède, ça va faire peut-être et une semaine avant que les gens ne commencent à passer. Avant même de faire la déviation, et même faire la déviation encore, c'est beaucoup d'argent. Donc, à tous les, toutes les étapes, c'est des pertes pour les autorités et donc pour les citoyens. Merci Iroufaï, euh, vous êtes journaliste indépendant. Donc les autorités redoutent surtout la destruction de la ville historique d'Agadez euh, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Garé, vous êtes journaliste euh, au quotidien La Nation. À votre avis, quelles sont les dispositions qui auraient pu être prises pour éviter la rupture de la digue qui relie Arlit à Agadez Je crois que concernant la rupture de la digue, seuls les techniciens pourraient dire ce qui pouvait être fait. Moi, je suis un peu néophyte dans le domaine de la construction des infrastructures. Je ne vais pas m'aventurer pour dire qu'on aurait dû faire ça, faire ça. Je ne connais pas comment ça se fait, ces choses-là. Mhm. Mais ce que, je, ce, que, ce que je peux dire, c'est qu'en réalité, euh, les catastrophes naturelles, euh, euh, malheureusement, aucun pays n'est à l'abri. Vous avez vu des pays même développés qui, sont, qui font face à certaines inondations, quand il y a beaucoup de pluie, quand il y a des fortes intempéries, c'est des situations qui arrivent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Je pense que peut-être qu'on peut faire en sorte que, euh, vu cette catastrophe-là, essayer de voir qu'est-ce qui peut être créé pour protéger ces, patrimoines euh, vraiment culturels nigériens et essayer de, protéger ces villes-là. Qu'est-ce qui peut être fait Ça, les techniciens vont, vont répondre, mais une chose est sûre, c'est que la rupture de cette digue-là, va impacter sur l'économie parce que déjà, les gens qui, sont, qui ont l'habitude de partir transporter des marchandises pour les amener euh, ne, vont, ne, vont, pas pouvoir les amener dans les temps. Mhm. Ce qui va créer une situation de pénurie dans la ville et donc de chérité des produits. C'est clair, parce que moins il y a de ce produit, plus il va devenir cher pour la population. Donc, déjà, une population qui souffre dans sa chair, le fait euh, d'avoir des champs inondés, etc., etc., et une population qui doit devoir encore doubler beaucoup d'efforts pour pouvoir subvenir à des besoins. Peut-être qu'il faut maintenant prévoir un plan pour pouvoir euh, vraiment approvisionner ces localités-là. Ok, merci. Donc, euh, nous allons changer de registre en parlant de santé avec euh, l'épidémie de choléra qui sévit à Madarunfa dans la région de Maradi depuis le 4 juillet qui s'est étendue à la ville de Maradi. 1449 cas enregistrés, 26 euh, sont décédés. 1309 guéris et 111 actuellement pris en charge sur les sites dédiés à cet effet. C'est l'annonce hier à Niamey du ministre de la Santé face euh, à la presse. Rufai Dandoua, vous êtes journaliste indépendant. Est-ce que cela signifie que la riposte euh, n'est pas efficace vu que ça s'est étendu jusqu'à la ville de Maradi? Oui, et j'aimerais d'abord dire un mot euh, quand euh, Gary a parlé de catastrophes naturelles. ça, c'est ça. Même les maladies, des fois, c'est des catastrophes naturelles parce que c'est des choses, qui, tombent quelque part du ciel. Et c'est pour dire que euh, nos, problème problèmes dans, les pays sous-développés, ça c'est la preuve qu'on est, est donc sous-développé, c'est qu'on ne prévoit pas les choses. Mhm. Or, il y a toujours des signes précurseurs qui sont là, auxquels, lorsqu'on fait face, on peut éviter beaucoup de choses. J'ai cru comprendre que la météo a fait beaucoup d'alertes, que cette année, il y aura beaucoup de, pluie, donc euh, risque d'inondation, surtout pour qui connaît, par exemple, la région d'Agadez. Avant, c'est à peine qu'on faisait 7 mm d'eau. Si aujourd'hui, on fait 15-20 vous voyez déjà et, ce que ça peut faire. Bref, je pense que c'est un peu la même chose avec aussi les, les maladies. La région de maladie est toujours propice à ce genre de, de maladies. C'est la preuve que là encore, on ne prévoit rien. Vous savez bien que ce genre de maladies ont une période, mais quoi qu'on fasse, les gens ne, ne, ne, font pas attention. Et là, il y a la faute d'abord de la population qui ne prend aucune eh, mesure pour éviter ce, genre de maladie, mais aussi la faute des autorités sanitaires qui eh, ne font pas de sensibilisation à temps. C'est lorsque eh, le, problème arrive qu'on essaie de, prendre des dispositions alors que en, ce moment c'est déjà fini. Mais qu'importe, on, on, peut dire qu'avec ce ministre, et tout le monde le dit, tout le monde le voit. C'est un monsieur qui fait beaucoup, qui, qui a beaucoup travaillé depuis qu'il est à la tête de ce ministère. Je pense que et même si on n'a pas voulu qu'on arrive là, s'il y a une riposte qui est là et qui, à la fin, arrivera à trouver une solution, ce sera bien. Merci beaucoup. Donc, euh, les experts redoutent cependant une flambée en raison des inondations liées à des fortes pluies dans la zone euh, infectés. Garé, comment faire selon vous pour éviter que cette maladie très contagieuse se propage encore plus mais déjà, je crois que le ministère de la Santé, comme il l'a dit, qui n'a ménagé aucun effort pour, depuis l'apparition des premiers cas, a alerté l'opinion nationale. Des missions ont été conduites. Récemment, d'ailleurs, une mission avec euh, l'OMS a été conduite là-bas, n'est-ce pas, pour faire le point de la situation. Je pense que, euh, avec la pluie, ce qui n'arrange pas les choses, c'est que le virus va encore se propager. Et c'est pourquoi le ministre de la Santé a déjà dit à maintes reprises qu'il y a des gestes qu'il faut adopter pour essayer d'éviter d'être contaminé. Parce que c'est une maladie qui, se contamine, qui contamine très rapidement quand on n'a pas de bons comportement en matière d'hygiène. Quand on a des mauvais comportements, quand on ne se lave pas les mains avec le savon, quand on ne lave pas les fruits avant de les manger, et, eh, si eh, je vous dis, c'est la catastrophe. Moi, et surtout la défécation à l'air La défécation libre. Moi, je vous dis, j'étais à Maradi, j'étais à Maradi, la ville de Maradi, et puis eh, un soir, on est parti dans un quartier, et, on voulait bouffer de la salade. On m'a dit, non, euh, attention, le quartier dans, lequel vous êtes, c'est Madarofa, c'est à côté, et c'est là-bas que le choléra est venu. Ils m'ont déconseillé. J'ai dit, ah bon Pour vous dire à quel point il y a cette psychose-là au sein de la... Mais malheureusement, je vous dis, la population parfois n'adopte pas le bon comportement. Malgré tout ce qu'on leur dit, faites attention. On n'achète pas un fruit au marché et puis on le mange sans le laver. C'est des trucs élémentaires, mais comme je l'ai dit une fois sur une plateau, nous sommes têtus n'est-ce pas Nous n'écoutons pas les conseils qu'on nous donne, nous n'écoutons pas les, le conseil des médecins parce que le ministre, le de la Santé, c'est un médecin aussi, n'est-ce pas Et il connaît les choses, les conseils, les maintes conseils qu'on est en train de donner, les gens ne les écoutent pas. Et ça, ça, arrive. Maintenant, avec euh, l'arrivée des pluies, il faut encore euh, renouveler et cet, appel, à la, en tout cas à la vigilance à l'endroit des populations pour éviter que le, le taux de, personnes contaminées augmente. D'accord. Il y a M. Elhaj Mohamed Suleiman euh, qui vient de nous rejoindre. Il est journaliste. Euh, au journal en ligne euh, Niger Inter, nous parlions de la, de l'épidémie de choléra qui sévit à Madaronfa, dans la région de Maradi. Donc, euh, je vais vous poser la question comment est-ce que vous trouvez la communication des décideurs euh, dans la gestion de cette épidémie ben, je, je vu quand même en temps réel. Il y a un communiqué du, ministère de, de la Santé euh, je crois que c'est. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de communication, hein. euh, mais maintenant, c'est peut-être comment la, les précautions, est-ce qu'elles ont été prises en temps Est-ce que tous les moyens ont été justement pour limiter les, dégâts Donc, le nombre de morts enregistrés, en tout cas, prouve que euh, véritablement, c'était. Il y a en tout cas, il y a des difficultés. Mais bon, quand on connaît euh, aussi l'autre réalité qui nous caractérise dans ce pays, euh, les conditions d'hygiène, les saletés que les gens côtoient, et vous savez, moi, avec euh, la mare qu'ils ont, mhm. donc, effectivement, c'est un, cadre favorable, justement, donc, un d'hygiène où ce n'est pas forcément. les gens n'ont pas le réflexe, justement, euh, de faire face à ces Quand ça arrive, euh, effectivement, ça va. Et la contamination est, très facile avec euh, donc, tout ce qu'on connaît à, ce niveau. Donc, de mon point de vue, c'est une situation, ces maladies persistent en tout cas. Et, quand ça arrive, ça va faire beaucoup de dégâts parce que, vous vous rappelez, ici encore, des gens viennent de l'extérieur pour nous essayer comment laver nos mains. Euh, et vous voyez, c'est l'été que nous côtoyons effectivement. Quand il y a les maladies comme ça, comme le, choléra, et en ce moment, justement, de, de, de, de pluie, franchement, les dégâts sont énormes. Voilà pourquoi je pense que peut-être il faut parler de communication intense dans le sens de prévenir euh, et avoir des réflexes, en tout cas, d'hygiène euh, au niveau, donc, comme remède, en tout cas, à long terme. Merci El Haj Suleiman. En parlant de réflexes, je crois qu'il y a beaucoup de réflexes qui manquent au Niger. Lorsqu'on avait su qu'à un certain moment, il y allait y avoir euh, beaucoup de pluie, donc euh, des d'inondations au Niger. Je crois que certains euh, services doivent se synchroniser pour avoir le même réflexe. Par exemple, la santé et les ministères de, de l'équipement, tout ça pour comprendre. La gestion des catastrophes. Oui, pour, pour, pour, prévenir beaucoup de choses. Imaginez si, à un certain moment, on s'était entendu pour dire écoutez, il y aura beaucoup de pluie, donc conséquence, il y aura beaucoup de maladies. Mais apparemment, si ça a été fait, peut-être que ça n'a pas été bien fait. Et c'est ça le problème de, nous, Nigériens. On est trop fatalistes. On dit que non, c'est Dieu qui a voulu. Il faut prier Dieu, ça va marcher. Ça ne marche pas. Dieu n'aide pas les gens comme ça. Nous allons marquer une courte pause, le temps de poursuivre ce forum. Hors de nos frontières, l'actualité ouest-africaine est marquée par la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta à la présidence du Mali pour un nouveau mandat de cinq ans à l'issue du deuxième tour de ce dimanche. Il l'a remporté avec 67,17% des voix contre 32,83% pour son opposant Soumaïla Sissé. En attendant la validation par la Cour constitutionnelle, l'investiture est déjà programmée pour le mardi 4 septembre prochain. Roufaï Dandoua, je me retourne vers vous. Est-ce que la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta était-elle une surprise et quels étaient les enjeux Non, je crois qu'il n'y avait pas de surprise pour la réélection du président sortant. Non seulement il avait tout en sa possession, il avait plus de moyens financiers, il avait aussi eh, tout un appareil autour de lui que sûrement Soumé eh, Lassissé n'avait pas. En plus, moi, je pense qu'il faut déjà se projeter vers, euh, vers l'avenir. Euh, le problème en Afrique, quand on perd les élections, imaginez déjà l'écart, c'est 67% contre 32%. Je ne pense pas que même s'il y a des recours, que la Cour constitutionnelle va invalider ce, ce scrutin. Et sinon, aujourd'hui, je pense que comme Soumaïla Sissé l'a fait au, à la première élection, quand il s'était déplacé, lui et sa femme, chez Ibeka pour le féliciter et, lui dire qu'il est prêt à, l'épauler en cas de besoin. Je pense qu'il doit faire la même chose pour eh, montrer la hauteur d'esprit ou la grandeur d'homme d'État <clears throat> eh, qu'il avait eu et eh, il y a quatre ans, je crois. Et je ne pense pas que ça, va changer quelque chose. Aujourd'hui, c'est quoi au Mali C'est les, défis qui sont là, surtout les défis sécuritaires. Il faut penser à cela. C'est vrai que et, Ibeka n'a pas fait beaucoup de choses. Il a trouvé un pays et, qui était déjà attaqué de toutes parts et il n'a pas pu juguler beaucoup de choses. Je crois qu'aujourd'hui, à l'aube de son deuxième mandat, ça doit être d'abord un de ses défis majeurs et avec euh, cela, il doit essayer de rassembler le peuple malien parce qu'aujourd'hui, tout porte à croire que eh, l'opposition ne va pas accepter eh, le verdict des urnes ou les résultats proclamés par eh, la CENI malienne. Donc, ce qu'il doit faire, c'est d'essayer d'amener tous les Maliens mm. vers un même objectif pour se dire que nous avons un même pays, le Mali, et il faut le sauver. Merci Roufa. Et donc le candidat malheureux Soumaïla Sissé conteste ces résultats et appelle les Maliens à ne pas reconnaître la victoire du président sortant et annonce faire recours devant la Cour constitutionnelle. Selon Sissé, les résultats ne reflètent pas la vérité des urnes. Garé, que peut apporter l'appel euh, du candidat malheureux lancé au peuple, mais aussi le recours à la Cour constitutionnelle non, mais moi je, pense que c'est un coup de paix dans l'eau, mais c'est l'éternel euh, refrain des perdants. Ça me rappelle un peu <laughs> une, histoire similaire qui s'est passée chez nous, parce que suivez mon regard. Parce que ici aussi, il y avait un monsieur qui avait 17%, qui avait, <laughs> qui avait été battu, mais qui a contesté pratiquement toute l'élection. C'est-à-dire que, comme l'a dit Roufaï, l'écart était trop grand pour que, on espère, en supposant même que la Cour constitutionnelle invalide certains résultats, elle ne peut que permettre à Somel Sissé de grimper un peu, mais il ne peut pas rattraper euh, Ibeka. Ce n'est pas possible. Donc, je pense que euh, euh, son appel, moi, ce qui me réconforte, c'est qu'il dit qu'il va user de tous les moyens démocratiques voilà, pour pouvoir euh, attaquer ce résultat-là. C'est très bien. C'est ce qu'on veut dans un pays. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez perdu des élections que vous allez créer la violence. Ce n'est pas parce que vous êtes dans des conditions défavorables que vous allez créer la violence. C'est vraiment un signal très fort que Soumé Sissé donne aux autres Africains et surtout aux partis politiques africains. C'est-à-dire que faites tout pour protéger la démocratie. Faites tout il appelle les gens à ne pas accepter les résultats. Non, mais quand il dit à ne pas accepter, c'est-à-dire qu'il n'appelle pas les gens à contester en réalité ou à faire des actes de violence. Il dit, il appelle les gens peut-être à manifester, n'est-ce pas, dans les rues ou à faire des choses. Mais vraiment, il a dit, en tout cas, j'ai suivi ce qu'il a, il a dit qu'il veut utiliser tous les moyens démocratiques mhm. pour euh, contester ces résultats-là. Déjà, hmm. vous, vous projetez de ne pas accepter oui, mais ça, c'est, si je vous dis, c'est le refrain du perdant. C'est toujours comme ça. Vous savez, en Afrique, quand euh, un électeur perd, enfin un candidat perd, il, il, ne reconnaît pas facilement comme ça. Si vous comptez 10 élections, sur les 10 élections, sur les 8, celui qui a perdu va contester. Mais on sait bien que comment ça se passe. Il conteste, on, a vu ce qui s'est passé au Gabon. <laughs> Jumping, qu'est-ce qu'il n'a pas fait Mais alors, <laughs> qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Jumping Mais pourtant, Ali Bongo est toujours président. C'est-à-dire que c'est vraiment. Encore que là-bas, il a, il a, essayé de, de, de, de, créer des situations de violence, n'est-ce pas Qui ont été étouffées par l'œuf. Mais, mais j'ai dit ce que moi, je, je, je, en tout cas, si j'ai un conseil à donner à c'est c'est de tout faire pour gérer en tout cas euh, le, mécontentement de ses partisans, mhm. les gérer dans un cadre démocratique. Parce que ça a quand même, a été pris, euh, euh, au niveau de la commission de l'UEMOA, c'est quelqu'un qui, qui, connaît les valeurs, n'est-ce pas, de paix, les valeurs d'intégration. Je pense qu'il ne va pas utiliser ces militants pour essayer de détruire le, le, peu, en tout cas ce qui reste encore pour le Mali. Donc euh, voilà. un peu partout en Afrique, les résultats des urnes sont contestés, les institutions souvent accusées de connivence avec le candidat du pouvoir en place. Euh, El Haï Suleiman, euh, pourquoi à votre avis euh, d'abord, je voudrais me prononcer sur la situation malienne euh, mhm. par rapport au candidat ici. Je ne suis pas surpris parce que déjà, avant les élections, il avait accordé une interview à Jeune Afrique. Il avait dit Moi ou le chaos. Donc, cela veut dire que véritablement, lui ne gagne pas. Absolument. On peut dire que c'est un peu civilisé parce qu'il va faire recours avec des moyens démocratiques. Mhm. Mais quand vous dites Moi ou le chaos, vous êtes dans une position où, franchement, vous êtes prêt à mettre le pays vraiment à feu à ça lorsque effectivement vous n'avez pas gagné. Maintenant, par rapport vraiment à la, à la, réalité, moi je pense que si, euh, comment on appelle, si c'est a de l'ambition pour lui-même, c'est de considérer que l'autre, il finit son mandat, il est encore jeune, et vu le résultat, parce qu'il faut le reconnaître, dès le premier tour, lui, il a 40%, lui, il avait 17%. Mhm. Donc, vous voyez, en fait, déjà, en réalité, euh, l'avance, en fait, le jeu était fait. Euh, donc, euh, par rapport à votre question, c'est une réalité. Les élections en Afrique, de plus en plus, les gens se posent la question, mais pourquoi des élections en Afrique Parce que simplement, et, tout se passe comme si il y a une méfiance, il y a une crise de confiance au niveau des acteurs. Mhm. Et contrairement à, ce pas seulement, pas seulement le, le, pouvoir en place qui, qui, triche, même les opposants trichent. Parce que simplement, en réalité, il y a que. Euh, euh, c'est cela pour dire que nous sommes très fragiles. Les institutions sont très fragiles. Voilà pourquoi il faut lutter pour les, vraiment les consolider. Euh, sinon, je ne comprends pas qu'ailleurs, par exemple, quand il y a élection, en Occident, par exemple, quand il y a élection, on va connaître les, élections en temps réel il n'y aura pas de contestation. Donc si chez nous ça persiste, c'est parce qu'effectivement, quelque part, les gens ne sont pas honnêtes. Mhm. Et il faut véritablement, si nous sommes des vrais démocrates, il faudrait accepter on a vu quand même, malgré tout, en tout cas chez nous, des actions où, après les élections, en tout cas, les candidats vont aller féliciter leur. Euh, quand ça, quand même, c'est. Le Niger a, connu, en tout cas, cette situation. Donc, il faudrait qu'on se dise que perdre une élection, euh, n'est pas en fait euh, une fin en soi. cest que ce n'est pas la fin de, euh, de, votre vie. Mhm. Par exemple, aujourd'hui, je me dis qu'après IBK, c'est a toutes les chances, en tout cas, de peut-être un jour de gouverner le Mali. Mais vouloir vraiment créer une chalide dans le pays, ce pays-là, aujourd'hui, on ne peut pas se, se, Le Mali, c'est un État, franchement parlant, à construire. Et on a vu, malgré son premier mandat, il l'a dit lui-même, quand j'étais venu, en fait, l'État était à lambeau. Et on connaît ce qui s'est passé au Mali. L'armée le Mali n'avait pas un moment d'armée en réalité, puisque euh, euh, en fait, il n'y avait pas d'État. Donc, oh, je pense qu'il faut être réaliste. Euh, ce pays revient de loin. Mhm. Il va falloir. Moi, ce qui m'avait déçu, c'est de voir 24 candidats au Mali pour une élection. Pourquoi l'opposition n'a pas pu en fait se coaliser C'est ça aussi l'autre critique qu'il faut aussi en Afrique. Les opposants, et chaque, chaque fois dans, chaque pays africain, quand vous partez à rendre en tant qu'opposition, vous partez pour perdre de dangereusement. Mhm. Donc voilà pourquoi je pense, je, à RDC récemment, j'ai vu, sont un peu sensibiliser eux, ils sont en train de vouloir faire une candidature unique face au candidat de pouvoir. Mhm. Et cela, effectivement, peut porter par rapport à la dynamique euh, euh, en, place. Donc moi je pense qu'il faut le reconnaître, euh, nous avons encore euh, des réflexes où les acteurs ne sont pas honnêtes, ils ont des réflexes, ils pensent qu'il faut tricher pour gagner, et je ne pense pas que cela puisse être une bonne chose pour notre démocratie eh, Rapidement, pour, revenir à votre question, c'est en Afrique, je ne pense pas que eh, le salut est pour demain. Pourquoi Parce que quand vous prenez le cours constitutionnels ou les CENI, c'est pratiquement toujours eh, un membre de la famille du, du président de la République ou un ami intime. Regardez au Gabon ce qui s'est passé et c'est la belle-mère du, du, président Ali Bango. Au Mali, ici, la CENI n'est pas indépendante, par exemple, comme peut l'être la CENI du Niger, parce que c'est au ministère de l'Intérieur que tout est centralisé. C'est même deux fois le ministre de l'Intérieur qui, qui, donne les résultats. Mhm. un moment, au Niger, on avait aussi parlé de la proximité du président avec euh, la présidence de la Cour constitutionnelle. Vous voyez, il y a beaucoup de, choses qui font qu'aujourd'hui, en Afrique, chaque fois qu'il y a élection, on s'est dit, bon, écoutez, euh, on, part déjà et, perdant parce que il y aura quelque chose qui va se passer au sein ou de la Cour constitutionnelle ou de la CENI ou à, un endroit pour favoriser. Et c'est tout le monde, même les opposants, quand ils viennent, de font la même chose, malheureusement. Merci, Rufai. cest que, vous savez, la démocratie, c'est d'abord les règles du jeu. Mhm. C'est-à-dire que si vous acceptez de partir à une élection, vous acceptez la CENI, vous acceptez la Cour constitutionnelle, vous devez accepter tout le processus, c'est-à-dire ce qui va en découler. Si vous avez une contestation, si la Cour constitutionnelle dit que votre contestation est nulle, vous devez accepter parce que c'est comme ça les règles du jeu. Donc, euh, nous allons revenir euh, au Niger. Euh, dimanche, le Conseil islamique du Niger a déclaré que la Tabaski sera célébrée mercredi 22 août. Les moutons sont disponibles, mais à des prix élevés. Donc, euh, Rufai, je commence euh, par vous. Comment voyez-vous les préparatifs de cette fête euh, avec la morosité économique <laughs> Les moutons ont toujours, <laughs> les ont toujours été <laughs> élevés. chacun a, le mouton qu'il peut avoir. Hein, ça, ça a toujours été en tout cas, moi, depuis que j'ai grandi, j'ai toujours vu ça. Mais moi, c'est sur quoi je veux revenir, c'est que je ne comprends pas, je ne suis pas marabout, mais je ne comprends pas qu'on qu'il y, ait Arafat le lundi et que nous, ici au Niger, on fête le, le mercredi, je ne comprends pas. Il y a une seule montée de, de Arafat dans le monde, ça se passe en Arabie Saoudite. Et, de tradition, dès qu'il y a Arafat le lendemain, c'est la fête, je ne comprends absolument pas. Peut-être que les marabouts vont nous expliquer un jour, mais ça, je ne comprends pas. Maintenant, pour revenir sur, euh, à votre question, et vraiment, chacun a sa bourse. Un mouton, tu peux mhm. avoir pour 35 000, 40 000. Il y a ceux qui vont acheter pour 250 000. J'en ai vu. Oui, j'en ai vu aussi. Même si pour moi, c'est vraiment, vraiment démesuré. de. C'est vrai, vous savez, on dit le mouton que tu augoges c'est sur ce mouton-là que tu vas euh, monter pour passer le, le mont Sirat. D'où les moutons d'un <laughs> Malgré tout, je ne, je ne euh, peux pas comprendre qu'on achète. C'est narguer les gens. Vous avez parlé de morosité mhm. aujourd'hui. Avec cette morosité, vous, vous savez, l'islam est, est, une religion incroyable. Par exemple, on dit, lorsque vous partez même au Hajj, alors, alors que vos voisins immédiats n'ont pas à manger, ce n'est pas bien. Je ne veux pas dire que ce n'est pas accepté, mais c'est un peu eh, gondoler votre rage. Donc, on préfère que vous donniez, que vous fassiez le monde à vos voisins pour qu'ils puissent manger. Dieu va vous donner le même, et eh, la même récompense. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu achètes un montant d'un million parce que peut-être tu es ministre, tu ne connais pas eh, la souffrance pour avoir l'argent que quelqu'un, par exemple, un, oui, non, c'est la parole. un, enseignant aujourd'hui qui à peine à a son salaire euh, le salaire, on sait comment, quand ça vient, c'est déjà parti. Donc, tu nargues les gens et ce n'est pas bien. Ok, donc au Niger, cette fête occasionne l'utilisation d'importants volumes de bois de chauffe pour la grillade, un acte qui représente une grave menace sur l'environnement pour un, pays déjà désertique. Garé, vous êtes journaliste du quotidien La Nation. Que faire pour limiter les dégâts sur l'environnement Je crois qu'il y a déjà un monsieur de l'environnement qui a déjà expérimenté une méthode de cuisson avec le charbon. Lequel des charbons Le charbon minéral, je crois. C'est-à-dire qu'on creuse un trou, on met une certaine quantité de charbon qu'on allume. Et mieux, au lieu de mettre des, piquets de bois, mhm. c'est-à-dire que des traverses et consorts là, c'est en fer soudé. On les, met dans le sol et puis on met les, moutons de, chaque côté. Et dans le trou, il y a le charbon. Et il dit que ça permet de griller le mouton en un temps record. Donc il n'y a, pas de perte de chaleur. Oui, ah. mais c'est ça qu'il faudrait qu'on adopte. Il faudrait <clears throat> qu'on fasse une campagne de promotion du charbon naturel et surtout de promotion de cette, de cette méthode que je trouve révolutionnaire pour nos pays. Mhm. Parce que nous, nous, nous, utilisons le bois. Mhm. Mais le bois, mais ah, si, si, on, si on devait calculer la quantité de bois qui a été qui est, qui est utilisée à chaque fois de tabaski, vraiment c'est énorme. Selon euh, les, les eaux et forêts, pour euh, griller un mouton, il fallait 120 et quelques euh, kilos de bois. Mais vous voyez ce que ça fait comme... C'est horrible à entendre ça. Quand vous entendez ça, vous avez la chair de poule. Mm. Mais c'est grave. Donc je pense que le ministre de l'Environnement doit faire une campagne de promotion, voire d'interdiction de grillade du bois. Parce que si on en arrive à une, situation, comme ça, il faut interdire. Oui, mais non, mais il faut obliger les gens à utiliser le charbon. <laughs> non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut prendre des mesures, le trop par les cornes et dire bon, écoutez, cette année, bien sûr, après une campagne, c'est pas pour cette uh-huh. tabaski-là, la prochaine tabaski. Et là, après la tabaski, on fait une campagne et puis on dit aux gens bon, la prochaine tabaski, on fait une campagne intensive uh-huh. sur le charbon le bois interdit. Et là, on met, en, on met œuvre un processus qui va permettre aux gens d'avoir accès à ce charbon-là, d'avoir accès à ces traverses-là, et c'est réglé. D'accord. Donc, euh, euh, on, est pris par le temps. non, on lui donne. Je pense que les gens vont me trouver ridicule. Moi, c'est comme si on dit aujourd'hui de ne pas faire qu'il souffre peut-être de ne pas euh, égorger les moutons. Ben non, c'est la question qui va venir on va <laughs> les laisser répondre. Voilà. Donc, euh, Elhaj Suleiman, pensez-vous qu'il est possible de fêter autrement pour restreindre notre consommation de bois pendant la fête de tabac? Oui, je le pense. Euh, et non seulement Gary a rappelé, il y a beaucoup d'expériences aujourd'hui euh, à la portée économique, un peu écologique du bois et même de l'argent. Mais aussi ailleurs, vous savez, à l'Est, à Zander par exemple, les gens euh, Tout à fait. Et ça, je vous dis, maintenant, un aspect en fait culturel je dis, il y en a, quand ils ne vont pas griller, c'est comme s'il n'y a pas eu tout simplement de mm. fête. Mm-hmm. Donc, vous voyez, c'est des habitudes, euh, en tout cas au niveau des mentalités, que, bon, on a la difficulté de, changer. Peut-être c'est l'occasion de manger du du Absolument, c'est l'occasion. Mais en réalité, il y a un aspect, comme c'est hérite, euh, en fait, euh, les gens passent des moments importants. En tout cas, les voisins, les parents, on se vient, les enfants. En fait, il y a des habitudes que les gens ont. C'est comme si, en fait, de l'année, et vous savez, euh, comme, quand je dis c'est c'est un aspect aussi religieux dans cette affaire. C'est qu'en fait, euh, euh y, a, il y a une pour les musulmans et la fête que c'est la grande fête. Mhm. Donc, en réalité, si jamais euh, vous essayez d'interdire, comme l'a dit Gary, ou bien c'est vous qui demandez d'interdire ça, oui, euh, vous allez en tout cas avoir une vraie jacque mais véritablement fait par les <laughs> populations du village. Dernier aspect de ce forum avec du sport football. La semaine dernière, le Ménacadé du Niger était à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, dans le cadre des préparations du tournoi qualificatif de la zone ouest de l'UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines des moins de 17 ans, prévu à Niamey le 2 septembre. Les Cadets ont perdu 6 à 0 face aux Maliens et ont obtenu un match nul face aux Burkinabés. Je vous propose d'écouter Abdraman Issa Maïga, le coach assistant des Cadets. Moi, je pense qu'il y avait un peu de fatigue parce qu'on est venu à 48 heures du match. On a eu juste un jour de repos, une seule séance, alors qu'on a trouvé le Mali déjà en place. Ils ont livré un match déjà contre le Burkina, donc ils avaient plus de repères que nous. Ça a été très difficile contre le Mali, mais avec les enseignements, avec les corrections, ça nous a permis de faire un bon match contre le Burkina. Pour des joueurs qui étaient un peu nouveaux dans cette compétition, sinon à 99%, c'était un peu difficile. On a eu une longue préparation à Niamey avec euh, une tournée à l'intérieur, on voulait juger notre équipe sur le plan international aussi. Et vraiment, ça nous a édifié sur tous les aspects techniques, tactiques et physiques. Donc, la compétition de Bobo, c'était vraiment la bienvenue pour nous. Voilà, donc euh, vous venez là d'entendre euh, le coach assistant du MENA Akadé, euh, Rufai. Quelle réaction au propos que vous venez de suivre on a toujours les mêmes réactions au Niger. Nos entraîneurs ont toujours les mêmes réactions. Chaque fois, on perd. Chaque fois, on dit non, c'est match amical. On, on, se prépare, ça fait du bien pour voir. Mais quand on vient aussi aux compétitions, c'est la même chose, on perd. Moi, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe dans le football nigérien, en particulier en général, même dans le sport nigérien. On a toujours les mêmes problèmes, mais on ne trouve jamais les bonnes solutions. C'est toujours les mêmes problèmes. On dit qu'ils sont partis et, deux jours avant. Avant, oui, ça se fait. Si maintenant on gagne encore, on va dire, malgré qu'on soit venu euh, euh, un ou deux jours avant, on, a gagné. Vous c'est facile hein, de, pour les entraîneurs de trouver des, échappatoires, mais je pense qu'il eh, il y a un problème qui est là. d'abord, il y a un problème de gestion de notre football. Comme si vous vous rappelez, depuis les, la, réélection du, du, bureau sortant, aujourd'hui, on ne parle même plus de football. Aujourd'hui, vous demandez tous les acteurs du football, journalistes sportifs, entraîneurs, ils vous diront qu'il n'y a plus de football au Niger déjà qu'on qu prend des clubs qui ne méritent pas d'être en première division, on les amène en première division, il n'y a pas de, de, compétition. Vous voyez comment ça fait. Aussi, aujourd'hui, regardez un club historique comme l'Olympique qui descend en, en deuxième division. Ça fait mal même à ceux qui ne regardent pas, même à ceux qui n'aiment pas le football. Pourquoi Parce que ça ne va pas. Aujourd'hui, la formation à la base, parce qu'on parle des cadets, moins de 17 ans. Hier, j'ai vu un, petit Malien de 17 ans qui a signé à Monaco. Jamais vous ne voyez des joueurs nigériens de 17-18 ans et, plus même signé dans, des grands clubs. Pourquoi C'est parce que ça ne marche pas, mais on, on, ferme les yeux et on pense que ça va et on continue. Parce qu'il y a toujours des laudateurs qui sont autour des, des responsables qui leur disent que ça va, on continue, et eux, ils pensent que c'est comme ça. L'argent qui vient, on le prend, on construit, on, on, on, on épouse des secondes, troisième femmes et c'est fini. C'est ça le Niger. Ça va venir. Donc, Gary, que pensez-vous de la performance de l'équipe euh, des moins de 17 ans Ah oui, mais c'est 6 à 0, c'est sans commentaire. Hein. <laughs> mais je, je, bon. C'est-à-dire que c'est inquiétant pour le tournoi qui doit se dérouler ici. C'est-à-dire qu'au Niger, on ne prend pas le football au sérieux. Vous savez, eh, un, un, petit joueur français enfin qui commence à jouer au football, il s'identifie. Il s'identifie pas à des joueurs étrangers. Hein. Mhm. Non, non. Il s'identifie à des joueurs français. C'est-à-dire, il s'identifient à Zidane, il s'identifie à, Mbappé, etc., etc. Donc, mais un joueur burkinabé s'identifie à Pitropa, il s'identifie à d'autres, mhm. n'est-ce pas Les joueurs burkinabés qui sont là, un Malien va s'identifier à Seydou Keita, etc., etc. Mais au Niger. qui notre référence mais, non, mais enfin, au Niger. Moi, au Niger. Mais c'est ça qui fait qu'on ne prend pas la chose au sérieux. C'est-à-dire que euh, euh, d'abord, le, choix des joueurs, il y a du sentiment, il y a des paramètres qui rentrent en jeu qui ne sont pas du tout techniques. On fait du tout. et puis, on veut. J'ai l'impression que le, seul bénéficiaire celui qui bénéficie du, football aujourd'hui, c'est la FemiFoot. Les joueurs ne bénéficient pas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, on n'a pas l'impression. On est toujours en train de c'est comme si on pédale. Mais eh, pourquoi dites-vous que c'est la foot qui en bénéficie Mais enfin, je vois, il y a des sommes qui sont injectées, mais moi, on ne voit pas le résultat. Le football nigérien est, est, par terre. Comme il a dit, on ne voit pas. Mais je lui dis, mais la honte. Quel est le joueur international nigérien auquel on peut s'identifier C'est Moussa Mazou. Et Moussa Mazou, ce n'est pas un grand technicien ah, de football. En 9 ouais, ans, il a fait 9 clubs. 9 clubs. Ça veut dire que chaque année, pas... de oui. club, ça, ça, ça ne donc, pas donc vous voyez ce que ça veut dire Moi, moi j'apprécie ce qu'il fait, parce qu'au moins, il a sorti un peu le nom mhm. Mais vous voyez à quel point notre football est réduit à, sa, portion congrue, Considérez considérer qu'on n'a qu'un seul... Vous voyez le Burkina à côté. Mais comment est-ce que... Pourquoi ça marche au Burkina moi, ce que j'ai dit aux gens, j'ai dit, mais attendez, il faut aller au Mali, il faut aller au Burkina. Demandez-vous comment est-ce que ça, pourquoi ça marche. ça ne marche pas ici. Pour le Mali, c'est autre chose. Aujourd'hui, dans la sous-région, tu allèves peut-être le Nigeria. Mm. En termes de formation des jeunes talents, ils, sont, ils sont incroyables. Pourtant, à un moment, ça ne marchait pas. Ils se sont eh, restés pour dire, ça ne va pas, il faut trouver des solutions. Ce qu'on ne fait jamais au Niger. on va espérer que euh, la situation s'arrange. Donc, euh, ainsi s'achève ce forum de la presse de ce vendredi 17 août 2018. Euh, nous étions avec... Euh, Elhaj Mamadou Souleyman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, Rufai Dandoua, journaliste indépendant, et Garé Amadou, journaliste du quotidien La Nation. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h15 avec Maman Ada pour le forum en Hausa sur la situation sécuritaire en Gingimi dans la région de Difa et Balkissa Hamidou pour le forum Anzarma qui porte sur l'importance du budget participatif pour les administrés et les communes. Merci de votre aimable attention. Au revoir.